mbokki Dakar active mbokki internet euh, ñu ngi fi ci campement dangan mu bok ci commune bu Fimela gannaaw leer coowal suuf liñ fi doon deg tay ñu ngi fi ci région de fatik euh, ci fima film leen tuddal legi maire bi muy maireu Fimela ak ki nga xamantene mom moy ben ressortissant français ñom ñoo am ay jafe-jafe ci mbedd bi fi lay jaar ak mbedd bi du fi jaar le problème, euh, j'ai un problème principal avec le maire de, Fimla qui veut me contraindre à laisser une rue. Euh, et ça, fait, ça fait deux ans que ça dure bientôt. Euh, rue que je n'ai pas l'intention de donner parce que les plans cadastraux n'ont jamais indiqué qu'il y avait une rue sur mon, sur mon terrain. J'ai trois plans cadastraux qui l'attestent. Et c'est la bagarre depuis, euh, depuis 20 mois avec la communauté rurale. Mhm. Hein, et il y avait une propriétaire sénégalaise avec le, terrain qui est complètement au bout, qui, qui, s'appelle euh, Madeleine, Basse. Donc j'ai acheté à la communauté rurale et à une, euh, une sénégalaise. On a joint les deux terrains et on a fait une, une réunion de terrain avec euh, des papiers qui attestent qu'il n'y a, qu'un terrain. 98, les achats. Mhm. Et le premier cadastre, il date de janvier 99, je crois. Bah, le maire, il a un problème, c'est qu'il a des amis qui ont construit sur le DPF. Et ces amis n'ont pas d'accès. Donc il y a un colonel et puis un général euh, qui n'ont vraiment pas d'accès. Ils ont des maisons, mais ils ne peuvent pas rentrer euh, en voiture chez eux. Donc on me forcer, moi je ne suis pas d'accord. Voilà je veux que les, lois soient appliquées et puis euh, qu'on arrête de, me bloquer de partout. Ah ben, je pense que le maire de Fimelin a fait des, affectations euh, fausses. Il a affecté le, DPF, il a doublé, en fait il a doublé toutes les affectations euh, hors DPF, il les a doublées sur le DPF. Il y a des parcelles qui sont enregistrées 595 bis, bis 1, bis 2. Hein. Donc en fait, tout le DPF qui est devant nous, euh, est numéroté. <clears throat> Sauf que bah, c'est illégal. Le DPF, comme son nom l'indique, c'est le domaine public. Donc on se bat, on se bat contre euh, Monsieur le maire de Fimla principalement. Mais euh, après, sur les blocages qui sont, qui sont établis, je pense qu'ils le sont, le sont parce qu'il y a un général et puis un colonel qui, qui mettent la pression. Jusqu'à maintenant, j'ai fait, fait, des clôtures qui, sont, qui étaient des, clôtures euh, légères. Et maintenant, je voudrais clôturer vraiment mon terrain parce que je m'installe définitivement, donc il me faut quelque chose de, en dur. Et eh ben, il, me, bloque le permis de, construire parce que euh, je ne veux pas donner la rue. Et il a clairement dit lors d'une réunion à la, gouvernance de Fatigue que tant que je n'aurais pas laissé la rue, il ne signerait pas les permis de construire. J'ai reçu deux sommations du maire, la dernière en date d'hier, me disant, me disant de libérer la rue. J'ai reçu une sommation de l'urbanisme aussi, auquel j'ai répondu en disant que j'ai jamais eu de, rue sur ma propriété, avec les, les plans cadastraux qui en font foi. Mais bon, a priori, ça ne suffit pas. Et on est toujours, on remet toujours les mêmes problèmes en, en Mais utilité publique, c'est combien de personnes Utilité publique, c'est deux personnes. <laughs> il, y a deux, il y deux personnes qui ont, des problèmes pour accéder pour, chez eux. Et euh, c'est pas ça l'utilité publique. L'utilité publique, c'est tout le village. Et puis moi, depuis, depuis 20 ans que je suis ici, il n'y a jamais un Sénégalais qui est venu me dire « Christian, tu, as, tu empiètes sur le domaine public ». Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de rue. Et tous les gens de Dangan euh, qui sont là depuis 20 euh, ans me disent « Christian, il n'y a jamais eu de rue, et puis tu as raison de te te battre ». Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Je ne sais pas. <laughs> Quand je suis arrivé en 98, quand j'ai acheté, on était tous alignés sur la, même ligne. Donc euh, ma limite, voilà. Tous les, gens euh, qui étaient propriétaires étaient alignés sur, la limite. On m'a déclaré, preuve à l'appui, hein, parce que je l'ai papier, que tout ce qui était devant, c'était le DPF et non constructible. Sauf que euh, le colonel Diegan, qui est devant là, a déclaré que ce que les autres ne pouvaient pas faire, lui ne pouvait le faire. Donc il a, construit sa maison, il a vendu un terrain au général, et puis il, avait, <clears throat> il a fait un mur sur la plage, on peut le faire si vous voulez. Il a fait un mur sur la plage en décrétant que tout ce qui était derrière, c'était à lui. Voilà, donc il a, vendu le DPF. Alors quel papier et avec quel tampon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ce tout ce qui est devant chez moi, à partir de ma clôture, c'est le DPF. Alors le DPF, il est défini à partir des plus hautes eaux, 25 euh, mètres après les plus hautes eaux. Donc si on va sur la plage et qu'on mesure, euh, il reste euh, un mètre de plage à certains endroits. Totalement illégal. Totalement illégal. Mais... a tubaab bi xamuñ ndax dafa dof wala doful bay génn ay fetal di rey ay mu jàmbur di dugal di ko dugal ci biir këram di lekk te tegu ko ci yoon ba finalement sax waa dëkk bi ñu bëri ñemuñu faa jaar guddi ndax tiital même man mi sax man foofu duma fa jaar guddi waaw mbedd bi dafa war a continuer mais tubaab bi fàttu ko boobu ak léegi xam nga ne mbedd bi du jàll te mbedd bi dafa war a continuer waaw jafe-jafe bi euh, nasaraan bi comme ni ko chef de village waxee dafa tëj mbedd mbedd nak mbedd bour la eh, te intérêt motax mu tejj ko parce que tubaab bi dafa nek fi am terrain jënd terrain jëndat benen bu nek ci wétam seen digënté nak mu am mbedd mbedd momu nak mu tejj ko parce que da fay jaay du out client pour jaay ki mu out nak pour jaay daf ko wax ne mbedd mi da cey bok te koku xamna lolu li liy mbedd mu continue la yeen gis ngeen gisal ngeen seen bop mbedd mi bobu ba légui ñuy négocier ak mom Nenako ubil ko ubil mbedd mi mu bañ ubil mbedd mi mu bañ dem na fu ne dem na ci gouverneur dem na ci préfet dem na ci procureur ñepp ñom ñepp ku ci de xam na ne li mbedd mu bu wara dañ la ya nga deug mom mu lank na du ko di man ma defal ko sommation samedi suba lañ koy dindi parce que tubaab mënul nek roi France nek fi roi ñun Sénégal yépp dañ man maire kuy tubaab ngay italien ngay nationalité boo mun di doon fii jàmm lañ fi xam ñëpp la ñu accueillir ci jàmm waaye boo tegul ci yoon utu ñu nga nekk tubaab utu nga nekk seen même sénégalais bu tegul ci yoon dañ koy teg ci yoon. plan initial bi nga xam ne moom lañ def avant ñun ñuy falu mbedd mi dafa continuer biñ ko contacté it ak maag sama adjoint xam nañ ne mbedd mi dafa continuer mbedd yi nekk ci àll boobu yëpp dañoo continuer ba ca géej ga moom kese moo rey mbedd foofu. te chef de village wax na la ko sànq tubaab bi lu ko neex lay def fetalam lay yoroon fii rey na fi mbaam xuuxu xam naka la waa ji sax Marcel kooku euh, porté ko plainte ba ñu alama amaan ko ba gendarmerie ñëw jàpp ko ba téye ko ba nangu armam loolu soo demoon brigade tey do loolu mu nga fa tubaab bi xamuñu ndax dafa dof ndax dafa kenn xamul façon nit bu mu ne tubaab bi muusul yeewul bind na fu ne bind na ba présidence na oui j'ai écrit à la présidence j'ai écrit loolu muy wax amul sens parce que même bo bindé présidence présidence xamna ñu yoon xamna ñu ne lu yoon am dañ koy def yónnee naa ko convocation jox ko sama adjoint ak chef de village ñu yobul ko ko mu ne na ko maire dugal ci ñemewu mo wax sax limu wax loolu c'est grave du deug tubaab bi warul warul warul ñu insulter tubaab bi bima fi nekké 2009 ba légui ma ngi sama ñaaralu mandat jour bima ma ànd ak waa urbanisme ñuy xol mbéd mi lay doora xam tubaab bi tubaab bi mosul mosul tek euh, xamuma mosuma gis ndax normalul légui nak mbedd mi nako dindi jàmm am bu ko dindiwul itam force revient à la loi yaa ngi parce que mbedd ko xamul nak euh, le maire amna droit tij mbedd tej mbedd et tout ce que je fais on le fait en connivence avec le chef de village ak ñi fi nak population bi yëpp ñoo révolté won man ma téye population bi mais tubaab bi population bi suma len bayiwon ak mom dañuy dugg ci këram yàq ko mais lolu aussi baxul moo tax man leen noo même gars yi dañ ma waxoon ne woowal nit ñi yëpp ñu ñëw man leen déedéet du ma def loolu ndax damay bañ woo nit ñi ba pare mu am ku ci mën sax dugg kat tubaab bi yàqal ko te bu boobaa man du ma am je préfère euh, comme ni ma ko defee nii wax ak yéen lu leer ngeen xam lu leer. dakar actu rafetlu naa seen démarche ndax lii mooy yoon journaliste da ngay nekk un journaliste engagé buñ la waxee dara balaa ngay def dara da ngay dem vers l'information xool le pour et xool ndax li kiy wax moo mooy dëgg wala dëggul dëgg waaye ñëw wax ci nit ki rek ci maire kese yow nga dem rek euh, jàpp li maire wax xam nga ne tey maire su ma ne ko tan su dëgg sous préfet il est là pour le du ànd man bu doon damay tapale sous préfet du euh, du ànd ak man tontu na ko lettre ba mu bind président sous préfet tontu na ko bari envoyé na ko par hiérarchie le préfet pour mu yóbbu ko ndax xam nañ ne tubaab bi nekkul ci yoon.